Bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Merci beaucoup de nous avoir accordé euh, cet entretien à l'occasion du 18e sommet de la francophonie. Euh, qui revêt un aspect très particulier pour vous parce que euh, le premier président du Niger, le président Amani Diori, est un des pères fondateurs de la francophonie aux côtés de trois autres pays, hein, le Sénégal, la Tunisie où nous sommes et le Cambodge. 50 ans après, Qu'est-ce qu'elle représente, cette francophonie, pour votre pays, le Niger Elle représente euh, ce qu'elle était et ce qu'elle doit être. Euh, un cadre euh, de solidarité entre pays et qui ont en partage une langue, laquelle est porteuse d'un certain nombre de valeurs, que ceux qui ont créé cette organisation ont décidé de promouvoir euh, de promouvoir à travers cette langue les valeurs, euh, justement, euh, qu'elle contient, dont elle est le médium. Et pour nous aujourd'hui encore, cette langue reste la langue de Diderot, de Jean-Jacques Rousseau, de Voltaire, de Victor Hugo, la langue de la liberté. Et la francophonie, nous l'associons intimement à cet aspect de l'histoire de la France qu'exprime sa langue. Nous avons rencontré il y a quelques heures la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mouchikiwabo. Elle nous disait, euh, après s'être débarrassée de la colonisation, euh, les pays euh, d'Afrique notamment, eh bien, dans ces pays, le français s'est imposé comme une langue commune, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'autres, langues qui étaient parlées, et presque comme une nécessité. C'est le cas pour le Niger Oui, bien sûr, parce que je ne pense pas que nous ayons eu un autre choix. Euh, tout autre choix euh, aurait été périlleux pour nous. Pourquoi parce que tout simplement, euh, nous sommes déjà lancés dans la langue française, qui est une langue désormais universel et nous n'avons qu'à nous en saisir pour l'exploiter. Si nous devrions promouvoir l'enseignement de nos langues nationales, vous en avez dix, hein, euh, Nous en avons une dizaine, un peu moins d'une dizaine. Il y aurait eu des problèmes politiques, mais ce n'est pas le plus euh, grave. Le plus grave aurait été que euh, nous, nous, élaborions des livres qui contiennent toutes les mathématiques dont nous avons besoin pour former nos ingénieurs et tout le reste. Donc euh, c'était beaucoup plus facile. Et je voudrais vous dire que euh, ça ne s'est pas imposé à nous seulement comme une contrainte et une nécessité, mais ça c'est quelque chose euh, euh, dont l'usage nous a paru tout à fait naturel et nous le faisons avec d'autant plus d'aisance. Mais pourtant, elle n'est pas parlée par la majorité de votre population, cette, cette langue aujourd'hui. Oui, mais elle le sera le jour où nous aurons promis l'éducation de façon à faire en sorte que tous les enfants du Niger qui vont à l'école, euh, c'est notre pari, que tous les enfants du Niger à l'école puissent être en mesure de la parler normalement. Donc euh, c'est une langue qui, qui, progresse au Niger euh, de façon considérable à mesure que nous améliorons euh, la scolarisation et la scolarité des Nigériens. Les pères fondateurs de la francophonie ont dit c'est une prise de guerre cette langue. Vous partagez ça ce point de vue Oui, euh, en tout cas, euh, je pense que c'était nos frères d'Algérie qui ont dit que c'est notre butin de guerre comme ça. Butin de guerre. j'aime bien cette expression. Vous l'aimez bien Pourquoi Mais ben, je l'aime parce que à tout prendre à la fin, si nous sommes acculés, nous pouvons percevoir les choses de cette façon. Euh, il s'agit, euh, à mon avis, euh, de quelque chose, d'une boutade. Mais très sérieusement, la langue française, c'est ce qui est resté le plus positif dans la colonisation. Et c'est le moyen par lequel nous avons accédé désormais, nous accédons désormais au monde. Mais le français est euh, aussi perçu comme un, parfois par euh, les détracteurs de la francophonie, comme un outil d'influence de la diplomatie française. Ils ont tort ou partagez quand même aussi un peu cette, euh, vision-là La France a une histoire avec le reste du monde qu'elle a colonisé. Elle a noué des liens qui ne peuvent pas disparaître parce que la colonisation a cessé si la France peut utiliser la langue française comme facteur d'influence, euh, je conçois ça comme quelque chose de tout à fait légitime. Mais nous... ça vous met dans une situation euh, un peu compliquée, non Non, nous, nous, ne devons pas en être gênés. C'est notre langue de travail. C'est notre langue dont nous devons faire la promotion. Elle, est porteuse de valeurs euh, auxquelles nous nous identifions. nous n'avons pas un rapport ni conflictuelle, ni même ambiguë avec la langue française. C'est la langue dans laquelle nous réfléchissons. C'est la, la, langue dans laquelle nous communiquons. Nous avons de plus en plus tendance à communiquer même euh, au sein de nos familles avec cette langue. Donc, euh, le moment de la difficulté dans la perception de notre rapport avec cette langue est derrière nous, à mon avis, si tant est que des générations avant nous avaient pu l'avoir. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette difficulté. Donc cette question, ne se pose pas pour nous. Pour vous, mais peut-être pour euh, des élites mais vous avez une jeunesse aujourd'hui qui la conteste un peu, euh, cette, euh, cette, euh, cette langue, qui ne veulent pas en faire la leur dans un certain nombre de pays d'Afrique. Hein. Il y a même ce, qu'on appelle ce sentiment anti-français. Ah vous, vous, confondez deux choses qui sont, à mon avis, totalement différentes. la langue française n'est pas en cause dans ce sentiment qu'on semble percevoir à partir de ce que font un certain nombre de jeunes euh, qui a plutôt une connotation strictement politique. Euh, les plus conscients de ce qui euh, font de ceux qui sont à l'œuvre dans ce lynchage contre la France, eux, leur calcul, il est tout autre. Je sais bien qu'ils utilisent des jeunes, qu'ils instrumentalisent des jeunes, et qu'ils font un certain procès de la France. Mais c'est que la vérité, ils font le procès d'une certaine France euh, qui n'est plus la même. Euh, quand j'entends toutes les critiques qu'ils portent sur la France, j'ai l'impression qu'ils parlent d'une France qui, est plutôt une essence, qui est quelque chose d'éternel. S'il s'agit de la France de Focard, pour rester vraiment entre Africains... France-Afrique. De la France, oui, de Focard, cette France est dépassée. Cette France n'existe plus. Et, ceux qui font ce procès, me semble-t-il, euh, sont des gens qui sont en train de vouloir promouvoir des valeurs qui sont celles justement euh, euh, auxquelles se serait identifié aujourd'hui Jacques Faucard. Mm. Mais la France d'aujourd'hui, c'est une autre France, elle, qui... Moi, je pense que jusqu'au président Chirac, on peut considérer que il y avait une certaine relation qui était restée la même, hein, qui avait une relative filiation avec ce qu'avait fait le général euh, de Gaulle à travers Jacques Foccart. Mais à partir de Sarkozy, du président Sarkozy déjà, mais avec le président Hollande et le président Macron, la politique de la France vis à -vis de l'Afrique a totalement changé. Et ce procès qu'on fait à la France, est un procès, de mon point de vue, euh, totalement euh, injuste, excessif, qui parle d'une France euh, qui n'est pas celle à qui nous avons affaire, nous, aujourd'hui, comme politique africaine. Mais vous êtes vous-même euh, l'objet de certaines critiques d'un de vos voisins qui, fait partie de la francophonie, le Mali par exemple, et qui n'est pas euh, invité ici parce qu'il a été suspendu suite à deux coups d'État. Euh, il, vous considère comme un allié de la France et vous êtes même critiqué pour ça. Comment vous le ressentez vous Comment vous, vous réagissez à ces critiques profondément en vous non. <laughs> Ces critiques, elles m'amusent parce que ce qu'on dit n'a aucun sens. Moi, je, n'ai pas de, relation de vassalité avec la France. La question ne se pose même pas je ne vois pas en quoi je pourrais être vassal de la France si même je l'avais voulu. Et en quoi la France peut être un État suzerain pour le Niger, même si elle le voulait. Donc, euh, au fond, euh, il y a une euh, instrumentalisation, je vous ai dit, d'un certain concept de la France, parce qu'on parle trop de relations coloniales, de relations néocoloniales. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens aujourd'hui. le contexte de la colonisation et les politiques menées par un certain nombre d'États, dont la France, au lendemain des indépendances, ce contexte, il est totalement dépassé où les matières primaires étaient un grand enjeu, euh, où les puissances, justement comme la France, avaient besoin de contrôler les matières premières et faire des affaires sur la base des règles qui ne sont pas convenables. Ça, c'est dépassé aujourd'hui. La France euh, n'a pas euh, des intérêts particuliers au Niger. Les entreprises françaises n'existe pratiquement pas au Niger. on va nous parler de l'uranium. ce que je veux qu'on sache, c'est 2000 tonnes euh, d'uranium, euh, d'uranate par an, ce n'est absolument rien. La France s'approvisionne au Kazakhstan, s'approvisionne ça -hmm. au Canada. Elle peut se passer de l'uranium du Niger. Nous, nous avons plus besoin que Orano reste au Niger. Euh, plus que Orano a euh, intérêt à y mm, mm, rester, tout mm. simplement. Peut-être dernière question. Comment la francophonie aujourd'hui pourrait-elle incarner un espoir pour la jeunesse, cette jeunesse euh, notamment africaine un espoir, bon, à mon avis, il faut, il, faut, il faut être nuancé. C'était quoi l'idée de la francophonie euh, et c'est ce que reprend aujourd'hui encore le cadre stratégique 2023-2030 euh, euh, de la de l'OIF. il, marque trois priorités. La première priorité, c'est la promotion de la langue française. Deuxièmement, c'est la promotion de la gouvernance démocratique. Et troisièmement, c'est une coopération dans un certain nombre de domaines importants que sont l'éducation, le développement durable, le numérique, euh, la défense des des de, du genre, la promotion de la femme, les droits des femmes, les jeunes, etc. Mm. Et, donc, nous... Euh, c'est de vastes chantiers, Monsieur le Président. C'est de vastes chantiers et nous avons une, une, petite organisation euh, qui se bat pour euh, la promotion de ces trois Elle du bon chantiers elle fait le travail, euh, un bon travail, euh, du nouveau, des moyens qui sont mis à sa disposition. Voilà, donc, euh, et l'espoir, c'est que cette organisation, avec les capacités qui lui sont propres, qui sont toutes relatives, soit en mesure d'être toujours à l'avant-garde du combat pour la promotion des valeurs démocratiques, de la paix, de la promotion de l'état de droit et et donc aussi euh, donner euh, l'occasion à la promotion d'une coopération dans des domaines où nous avons besoin en effet de la solidarité des pays les plus riches au sein de notre famille de la francophonie pour que justement nous puissions promouvoir notre système éducatif, que le numérique se développe plus que... Oui, d'ailleurs, c'est le thème hein, du, sommet, le numérique qu'elle se renforce sur ses missions hein, vous Qu'elle se renforce sur ses grands axes, de, cadre stratégique qu'elle a défini. Ce serait ça, sa fonction. Si c'est ça, l'espoir dont vous parlez, eh bien, euh, ce serait... Euh, euh, celui qu'elle doit porter. Celui qu'elle doit porter aujourd'hui. Je vous remercie infiniment, Monsieur le Président, de m'avoir accordé euh, cet entretien. Je vous souhaite un excellent sommet, le 18e, 18e euh, sommet de la francophonie. Merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien. Merci.